koy defee rek sur la Bantamba TV muy télévision askan bi comme ni ñu koy waxee rek ci 100 football local Asma Moun, l'avocat du football local comme li ma wax rek bàyyiwuma benn division di wax ni télévision Bantamba TV mooy télévision askan bi ki ma taxawal nag mooy Aris muy nit ku baax nit ko xam ne tey mën nañ ko wax gis nañ liggéey bu maga maga mag bi nga xam ne mi ngi koy def ci gendarme de Dakar muy équipe bi may wax rek bi nga xam mom lay laay sur le plan africain mu defi jaloore yo xam ben club Sénégal defagu ko muy ja def fi ay preuve yu leer a leer a leer bokk ci club yi gën a tiitre fii ci Sénégal xëy na nag suñu borom mooy dogal tey nag mu nekk ci division bi fii nga xam ne tey jii nii fii du place am tey nag mu ñëw nag taxaw ak Aris di ko ziar di ko béggee. waaw merci Asmamoun vraiment ñu ngi liggéey ñu ngi rafetlu sa liggéey euh, on te voit à travers le football sa taxawaay rafet na waaw bon maintenant pour ce qui est de la Jeanne d'Arc euh, c'est vrai la Jeanne d'Arc actuellement évolue en National 1 mais ñëpp xam nañ ne que la Jeanne d'Arc que c'est pas sa place et pourquoi je le dis parce qu'en termes d'organisation la Gendarme est une équipe très bien organisée à tout point de vue en termes de recrutement quand tu vois notre match d'aujourd'hui tu vois que c'est une équipe qui joue et qui a le niveau de la Ligue 1 tous les joueurs à peu près à 80% c'est des joueurs qui nous viennent de la Ligue 1 ou de la Ligue 2 donc du point de vue du recrutement on a quand même eu à recruter de très bons joueurs. L'entraîneur que vous connaissez bien, Alun Bay, hein, c'est un entraîneur chevronné, n'est-ce pas, qui a fait euh, ses preuves un peu partout, n'est-ce pas Donc, en termes également de rémunération, la Jeanne d'Arc rémunère au même niveau que certains clubs, n'est-ce pas, de la Ligue 1 ou de la Ligue 2. que tu Donc, je, dis qu'à ce niveau-là, franchement, euh, il n'y a rien qui différencie la Jeanne d'Arc des équipes de Ligue 1 ou de Ligue 2. Maintenant, on est là, bon, euh, quelquefois on se pose des questions. Euh, on a beau être cartésien, on se dit quelque part, <laughs> bon, <laughs> la situation est difficilement explicable. Mais quand même, on va continuer à travailler et euh, on est à trois journées de la fin du, championnat. Et je pense que euh, les chances sont encore là pour monter en Ligue 2 et on va, essayer cette chance-là jusqu'au bout. pour, ceux qui mènent à de la Coupe du Sénégal, bon, on, vient de se qualifier pour les huitièmes de finale et également on va jouer toutes nos, cartes pour aller le plus loin possible. ça, franchement, euh, les gosses ont été briefés dans ce sens-là et je pense que quand on les a vus cet après-midi, on voit que c'est des joueurs hyper motivés et qui en veulent voilà De appel les germans au niveau des germans, bon moi je suis au niveau du club depuis 2015 bon je, dis que je, suis venu ça fait pas longtemps que je suis dans le club mais j'ai toujours lancé un appel aux germans, surtout aux anciens footballeurs parce que en termes de footballeurs mais les joueurs de la Jeanne constitue une référence. Donc moi j'ai dit encore une fois, j'ai eu à le dire à Roger Mendy, j'ai dit Roger, vous devez venir épauler la Jeanne parce que les garçons ont besoin de vous. Mhm. Nior est en train de le faire. Et Gis ah, au niveau du, club, Ahmad Ibriga, mhm. Cheikh Mané, mhm. tout cela bon, sont en train euh, d'épauler la Jeanne parce que quand même, ils ont besoin d'avoir des icônes, d'avoir des modèles et quelqu'un comme Nirofal, Mouké peut jouer pleinement. Voyez-vous. Donc c'est pourquoi je continue toujours à lancer un appel à l'ensemble des germans aux anciens footballeurs, aux supporters, parce que l'agenda, moi j'ai discuté avec euh, pas mal euh, de, partenaires hein, qui veulent nous épauler, mhm. mais je leur ai dit que la en termes de supporters, je peux dire que c'est un grenier au niveau du Sénégal. Est-ce que tu vois Un club centenaire, mhm. Mes filles, euh, c'est une référence. Donc je continue à lancer un appel à l'ensemble des fils de la gendarme hein, pour qu'on continue à organiser le club et à revenir au niveau de l'élite. Ah, parce que quand même, la gendarme, comme tu l'as dit, sa place n'est pas en, National 1, sa place est en Ligue 1. Moi quand je voyage, mais la première question que me gens me posent, ils me disent, mais où est l'agenda Je dis, l'agenda est en National 1. C'est quoi le National 1 Je dis, c'est la troisième, la division. Ils disent, non, mais c'est pas possible. je leur dis, et ça, ça fait 10 ans que l'agenda est en National 1. Mais on est en train de s'organiser, de se battre pour revenir très rapidement. Et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, on va y arriver. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, content. <laughs>